à travers sargal Bima sargal jigéen de dina ci profité pour tontu ñent ñi nga ils ont essayé de mobiliser Pikine et ils ont échoué en tête Pape Diop Omar Sar Tcherno Alassane Sall Sonko, ils ont essayé de mobiliser Pékin, ils ont échoué. Ils n'ont pas pu réunir 300 personnes. Nous avons aujourd'hui réuni plus de 3000 femmes ici à Mao.